chers collègues, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, euh, j'ai un commentaire sur le programme. Ensuite, on va parler un peu des problèmes d'organisation de, travail. Euh, monsieur le ministre, vous savez qu'on parle de budget, de coûts, donc c'est d'utilisation des ressources qui sont rares. Or, les demandes là sont multiples, on le sait. Euh, il y a beaucoup de villages au Sénégal, trop de communes, et donc, si on se met à les regarder du point de vue de la demande, on aura évidemment beaucoup de mal à les satisfaire. Je me suis intéressé au PUDC parce que <clears throat> Macky Sall est venu, nous a dit, j'ai le PSE et puis après, le PUDC. Moi, on m'a appris que quand c'est urgent, c'est déjà trop tard. Et la raison pour laquelle j'ai regardé ça de très près, et je me suis aperçu que vous aviez des arriérés de paiement. Moi, le DG, ça ne lui a pas plu. Il est sorti, il m'a insulté, c'est son problème. J'espère qu'avec les 10 milliards que euh, votre ministère va recevoir euh, donc dans le cadre de la RFR2, euh, LFR2, pardon, donc vous allez pouvoir payer les arriérés des entreprises qui ont fourni, qui ont fait des forages, qui ont fourni des moulins, etc. Et vous le savez, tout cela existe. Si bourse familiale, <coughs> Monsieur le ministre, vous-même vous reconnaissez que ça ne marche pas. Ça ne marche pas euh, euh, pour trois raisons. D'abord, il vous avait dit qu'il y a des passagers clandestins. Moi, je ñoo ne nañ ci na 5 10 ça fait beaucoup 10 c'est 3 milliards de francs CFA 5 ça fait 1,5 1,5 ko donc si vous acceptez déjà euh, des pertes de ce niveau-là ça me paraît extrêmement important rien bi mooy. Euh, ci affaire bourse familiale yi waxoon naa ministre bi nena ma du deug nena ko da ngeen di lepp di fay bourse familiale commission laaj 4 milliards yi fu mu nga vous avez moins de 4 milliards nga ne ma non fay ñu troisième trimestre le premier trimestre 2019 man duma vous empruntez pour payer les bourses familiales si si le ministre insiste je vais lui dire pourquoi je dis ça troisièmement troisièmement vous-même vous le reconnaissez nee xamu nous ñu pas ci bourse familiale ndax ñu nous génn ci ndóol wala duñ ci et c'est ça qui est important 5 ans nous ngi accompagner nit ki war na ñoo xam ndax mi ngi yoon génn ndóol wala mi ngi mais loolu que nous ko def nangu leen liggéey bi ci njëlbeen waxoon na leen ne du les programmes de transfert yii ñu ngi au Mexique déjà Brésil expérimenté ko ak Lula dans un état particulier où il y a que des noirs ce n'est pas aussi facile que vous le croyez donc à mon avis votre affaire là ne marche pas léegi monsieur le ministre vous avez un grand ministère bu ma ko d'ailleurs day mel Omar Oumar Omar ak Oumar Gueye secrétaire d'état Deug deug ak ministre de la femme Lolu japp naa ne moom am Yeen sax wax ngeen ne ngi signé protocole ak ay AGETIP pour mën def liguey. bi vous avez le plus gros ministère Macky Sall président Macky Sall néna soxla wul premier ministre man gëwuma il n'est pas plus fort que Senghor ans. naa ko bu baax a baax a baax premier ministre nee na buñ joon mënula liggéey loolu la fi wax andi ko fi ne supprimer poste premier ministre man jàpp naa ne loolu du dëgg bu ma xoolee sa ministère vous bu baax a baax a ma da nga ragal wala mais en réalité yow premier ministre caché bi say secrétaire d'état la Omar Youm Omar Gueye madame la femme madame la ministre de la famille vous avez, vous, le plus gros ministère de ce pays-là. Lui, c'est la réalité, c'est la vérité. Et donc, monsieur le, ministre, à mon avis, vous n'allez pas y arriver, parce qu'il y a une En réalité, on le sait bien, je le dis, je le répète, ce que vous voulez, c'est que la dynastie Faisal domine ce pays-là et mettre en place un émirat gazier nous ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg 5 3 ngeen koy wooyee 5 35 ou 5 3 5 ce n'est rien d'autre que 5 mandats à l'horizon 2035 da di nax seen bopp sénégalais duñu ko nangu fii du fi am buy buur di bumi bëgg nekk kan foore asalaamaaleykum wa rahmatullah